exclusivement, absolument. Mm-hmm. Et euh, vous avez ce droit-là sur nous, parce que nous n'existons que parce que vous, vous existez. Euh, donc, il y, a une interconnexion entre vous et nous. Et euh, par la grâce de Dieu, public et votre chaîne de télévision. Et nous, notre ambition est d'être la chaîne du peuple, donc de vous représenter dignement et euh, comme je dis, il ne faut jamais oublier que nous avons déjà, en attendant la charge de, la charge de la, charte de euh, législature mhm. Mhm. <laughs> dont vient de parler Madame Dakar à juste titre. À juste titre. Non, c'est très important parce que euh, nous un député, tu as trois fonctions. Donc tu représentes le peuple, la fonction de représentation tu as la fonction contrôle de l'action gouvernementale, des politiques publiques, et tu as aussi la fonction de voter des lois. Parce que sous nos constitutions monnaies, mhm. l'initiative des lois appartient concouramment aux députés et au gouvernement. Donc, députés, ils mhm. parce que nous avons voté nous sommes dans une démocratie représentative. sommes comme la Suisse où on est dans une démocratie directe où. Mhm. Ah, sur chaque question on pose un référendum gars yi tontu ñu avancé. ñun maintenant nak kon nak fuñ lay waxalee. Mhm. nga xamné tu leur donnes la mission de waxal la pour 5 ans. dëgg la voter tes lois pour 5 ans. oui saytu ñi ngay jité ñu ñu ñi nga dénk réew mi. Mhm. pendant les 5 ans. oui da nga wara xam ñan ngay tan ñan lañu dëgg la te tànnoo leen aussi sur la mhm. base seulement ka yama neex la. dëgg la da nga leen di tànn parce que japp nga ni. ñi mën nañoo def liggéey bu ñu bu ñu leen sant. kon nak ci liggéey boobu noonu nag. dafa am lu mu war dafa am lu mu waré maintenant nag.

waaw contrat de législature boobu mooy mhm. tax mhm. nit ñi xam mhm. yéen bu ngeen demee parlement assemblée nationale lan mooy doon seen taxawaay lu ngeen di def ak naka ngeen koy defee euh, je sais euh, euh, yaa ngi comprendre je sais pas comment on éteint ça xaw ma ñu rapproché téléphone bi je sais moo <laughs> xool

Euh, équilibre dafa baax ci mhm. démocratie comme on la. Mhm. dit, ko a rythme. pour la vitalité de la démocratie. Mhm. il faut euh, que chaque pouvoir. joue son rôle pleinement. et euh, askan wi am ca levier

mais def na fi leneen lu gën a garaaw. Mhm. Cheikh l'a rappelé mhm. mais pourquoi suñu premier ministre on en parlera une première fois juste pour joxe une piste de réflexion. Mhm. Euh, suñu premier ministre yàgg na wane ne respecté wul institution faalewul laa faalewul dara. déclaration de patrimoine pourquoi il le fait pas. même bu dee comme Yérim l'a si bien rappelé euh, euh, dimanche dernier. même bu dee yow. pas obligé de rendre ça public. Mais yo, parce que c'est de la transparence, en tant que le, leader que toi tu es, euh, euh, le chantre mhm. de la bonne gouvernance de la transparence bi nga xam que nous nga ñu de le suñu n'opi, mais yow y a euh, tout pour que mhm. sénégalais yi une am lisibilité claire et nette sur yow lignes. nga am wala mhm. donc il pour dire que suñu premier ministre bi nous foulé au pied les lois et règlements de ce pays et malheureusement sans choc personne ndax bu ñu gisee li xew Maintenant, tax ma ni euh, terminer fi jëm mhm. sénégalais rek sa la mhm. démocratie fi Sénégal encore une fois c'est une république ce n'est absolument pas un royaume sinon ça se saurait c'est pas un royaume c'est une mhm. république maintenant quiconque veut tenir les rênes de cette république là est obligé de respecter les règles qui la sous-tendent maintenant euh, c'est pas pas optionnel c'est pas pas une option quoi. et c'est là où par exemple tu trouves puéril cette histoire de voile qu'on essaie d'entretenir. Et puis regarde quoi encore le débat dans ce pays ne doit pas être le voile. Le débat va être la qualité de l'éducation. Yo, nous sommes des produits de l'école publique. Clairement. École publique, les mm mm-hmm. Mais école publique de qualité, bon nous. Mm-hmm elle a disparu. kon nag tey ni, nii yow maag yow a yem tey. dom, mhm. doom dañ leen di fayal lu cher dans des écoles privées. <laughs> te ñun suñuy jamono bu la sa bàyyi fayaloon mooy ni laar nga woon. c'était une honte. c'était une honte donc tey jii le débat doit être. Mhm. comment arriver à avoir une école publique de qualité. Mhm. loolu mooy ben. deuxièmement le débat il est biaisé sur la question du voile. Les écoles privées catholiques n'ont jamais interdit le voile. Bah non.